adjoint de le deuxième adjoint Mamadou Gueye, les conseils municipaux, les responsables de la commune, les autorités coutumières, les autorités religieuses également qui vont accueillir leur édile, le maire de la commune, et pour le remercier également pour toutes les actions qu'il a eu à mener en faveur de la jeunesse de Fanden, j'allais dire en faveur des populations de la commune de Fanden. Voilà donc le docteur Augustin Kim, maire de la commune de Fanden pour pouvoir faire leurs activités. Le ministre qui salue les délégués des deux zones réunies, zone 12A et zone 12B. Je vais en profiter, mesdames et messieurs, pour faire une rapide présentation du parrain en attendant que la cérémonie protocolaire va se tenir. Voilà le deuxième adjoint maire, M. Mamadou Lui est le premier adjoint M. Ndeuil les responsables politiques,

Monsieur Ali Diop. Monsieur Ministre Diakate. Monsieur Sénégal Diakate. Monsieur Bio Diay. Monsieur Babakar Diay. Monsieur Pratambam Diop. Thank you. domin sai ibrahim ba sai ababakar Merci beaucoup, capitaine. Moussa Lamentaï, capitaine de la République. Jean-Simon Diop. Raymond Tim. Damas Tim. Pierre Cho, Palestine team. Leo Pierre Daniel Tin, René Fay alias Kali, Gaston Thomas Mbay, Thomas Dakar, Paulo Isidore Xavier Lawrence team, Joshua Bhumi team. Je voudrais juste rappeler aux autorités qui viennent d'arriver que le score est nul et vierge entre ces deux ASC, Taofal et foot foot qui évolue en vert et blanc et Taofal en bleu. Je m'en vais également vous rappeler le parcours de ces deux ASC qui est chargé de la commission jeunesse sport en qui vous avez témoigné votre confiance à cette année-ci, comme d'habitude, accompagner cette jeunesse dans toutes ses activités. Mame Goor ak équipe kon vous méritez un grand merci mais à travers lui les deux présidents de zone yi nga xamante ni ci wàllu ndaw ak tàggat yaram ñoom ñoo ko yor fii jàppale ko bu baax ci liggéey ak tous les jeunes yi nga ils s'activent pour que les populations de Fandène en général puissent avoir le confort bi nga xam ni moom nga leen bëggal ba looloo tax nga sampal leen stade bi waxoon nga ko ca première édition ba fële la woon ca lycée ba mu ngoog euh, loolu mooy lenn li nga ci plan le développement communal am na ci jëm ci wàllu tàggat yaram mu jëm ci infrastructure coup pour ASC euh, Fouth di remercier également ñi nga xam ni ñoo accompagner comité d'organisation ba final bi mën a am ci anam yu di rafetlu nag présence su autorités yi fi teew yëpp rawatina yeneen maire yi nga xam ne ñoo ñëw ndax tey le maire Damas moom moo koy dóor Damas dóor bal bi génn na ak waa Kër Moussa yi nga xam ni combaan moo leen fi teewal également fi teew tey ba léegi au niveau de l'entrejeu Damas jox na ko Gustave Matar kar na ko Matar jël na bal bi nanguwaat na ko moom René arbitre tiré na coup franc Ahmed Tidiane coup en faveur de l'ASC Fouth au niveau de l'entrejeu, récupéré toujours par euh, ba pour euh, Daniel Daniel Momo koy coup jeu dangereux Daniel va bénéficier ah le maire de Fandène Augustin Tin, agsi na une très forte délégation Il a son premier argent au maire M. Ndoye Il Avec le deuxième argent au maire le président de la commission environnement monsieur Émile Tim. a délégation mon ami Martial Antoine John, le chef de cabinet du ministre Beaucoup de délégation aussi ki nga xamante ni le conseil spécial du ministre bokk na ci délégation bi waa seen fruit jàpp nañ bu baax a baax ci final bi ba mu agsi fii ñu koy gaaral monsieur le ministre kon monsieur baaba Diop moom mi nga xamante ni moom moo fi nekk ak monsieur Moustapha Fall vraiment monsieur le ministre ñu ngi wax ni ren xam ngeen ni dafa am loo xamante ni euh, zone yi ñu ngi ko doon liggéey te tey jii bu ñu xoolee commune Fandène commune Fandène du. ñett ci voilà le président Modou Fall mi nga xam ne moo comité euh, d'organisation bi ñu dem ci coup franc boobu nga xam ni euh, waa Taw Fall ñoo ko mais Mansour dóor ko euh, merci de nous en donner l'occasion je commencerai par remercier le Tout-Puissant qui nous a donné de vivre encore cette année cette troisième finale de Coupe du Maire. Euh, sur ce terrain de football. Et je l'avais dit que nous voulons très rapidement transformer un stade. Je remercie tous ceux-là qui sont venus assister à cette cérémonie, tout particulièrement le président de l'OTCAF euh, et son bureau, messieurs les maires et tous les responsables qui sont venus m'accompagner pour euh, vivre cette troisième finale. Euh, je crois comprendre que nous sommes en train de vivre des moments importants pour la jeunesse de Fanden. C'est un plaisir pour moi, mais je crois comprendre que je n'ai pas assez fait pour euh, la jeunesse de Fanden. Et je prie le Tout-Puissant de me donner l'occasion de le faire avec eux et pour eux. Euh, je dirais par ailleurs que c'est une jeune commune. Nous étions jusque-là communauté rurale et nous pensons que tout ce qui se fait en ville peut se faire en campagne. J'ai donc euh, regardé une partie du match et je crois comprendre que les talents sont là. Il suffit de parfaire la formation pour que ces joueurs, comme je le disais, qu'ils soient gardiens, défenseurs, milieu de terrain ou attaquants, il y a des talents sûrs, il suffit d'être organisé. Et je pense qu'ils peuvent le faire parce que souvent il y a des passes qui n'arrivent pas et là ça peut poser quand même des problèmes à l'équipe qui a la chance de pouvoir marquer un but. Mais je crois que nous vivons légalisation de l'équipe de Tawafal Et je crois comprendre que très bientôt, nous irons vers la série de pénalties parce que malheureusement, je ne pense pas qu'il est prévu des prolongations. Il n'y aura pas de de Voilà. Mais ici, ici, à Fanden, l'essentiel, c'est que ça se passe dans la paix et de la, dans la sérénité. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire quand vous voyez les jeunes jouer. Un but est marqué, aucune violence, euh, je pense que c'est extrêmement important. Donc le vainqueur, ce sera la population de Fandé. waaw jërëjëf am bu rëy di sant bu baax suñu borom donc euh, troisième édition coupe du maire di sante bu baax di sante ñëpp ñi nga xamni ni donc euh, finale plus particulièrement président Otkab ak ñi mu àndal ak monsieur

ñu gën a xarañ moo xam passe la moo xam dribble la moo xam jeu ñu gën a xariñ te laal loolu yaakaar naa mën na am parce que talent bi bu fi nekkee rek li ci des yaakaar naa war nañu ko mën a liggéey donc maa ngi leen di félicité ci boor boobu mais maa ngi surtout naw le fait que dañ ko def ci jàmm yaakaar naa loolu moo ëpp solo te gëm naa ni euh, jeunesse su Fandène mérité na lu ëpp sax li ñu yor nii te incha allah dinañ ci liggéey pour que ñu gën am occasion pour wone seen bopp occasion pour que ñoom ñu mën compétir ak ñëpp moo waxuma sax ci biir Sénégal mais dans le monde entier donc euh, loolu laa ci amoon lu may wax maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp. c'est la coupe du monde. c'est pas n'importe quel trophée il s'avance il est même. ndigal il s'avance il tire góor bi génn na ko. mooy dóor bal bi.

le capitaine de l'ASC Foot na ñëw ñu jox ko trophée